C'est un honneur et un immense plaisir pour moi de m'exprimer aujourd'hui à l'occasion de cette première session du Friday Thinking God organisée par le groupe Homo Leader Distribution Équipement, initié par son président directeur général, qui a aussi occasionné l'inauguration de la salle Serengo. Mais vous pouvez me croire, les actes de notre cher Oumou sont marqués entre autres de déontologie et d'éthique tant sur les relations intérieures et extérieures. Surprise nag l'a am on n'est pas des amis de compagnons on ne se connaît pas beaucoup me dit intérieur on se voit fréquemment comme ça wax dëgg quand on mu CCBM yi nga xamné ni ma ak ñom ñoo and ci liggéey bi ak man trop exemple de fidélité exemple de reconnaissance la ndax d'habitude yàgg nañoo tudde nit dara waye dañuy bàyyi bam fi dama yakane lima dox ko gis te man na un moment tane sax man na am sax mu ne concurrent la ndax xeyna master office ñep xam nañ la création de master office xeyna société sœur la sama sœur ko yor mais bu doon xol lor rek il me prend comme un concurrent waye en tout cas nit ku bax yàlla yëkëti kër gi ba nga xam ne nii fu société informatique wala société distribution ak c'était une journée d'action de grâce reconnaître les bienfaits du Seigneur que tout le monde euh, témoigne de ça hein, de profiter ci soleil de profiter ci sans fay donc euh, sans rek nous ñu rendez-vous peut-être dans d'autres événements de remercier encore une fois de plus le président Serigne qui est une référence pour nous.